le forum du studio le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, 18h passe de 15 minutes à Niamey. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange, de débat permettant d'informer, de sensibiliser les auditeurs. Il est diffusé en direct sur l'ensemble du pays grâce à un réseau de 20 radios aux partenaires répartis dans les 8 régions du Niger. Aujourd'hui, vendredi 7 avril 2017, et comme chaque vendredi, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine avec des sujets dominants. Il s'agit pour cette semaine de l'arrestation de notre confrère de la télévision Bonferré Babalfa pour faux usage du faux en écriture publique et celle de l'acteur de la société civile Michael Zoudi pour un délit de concussion. Il y a aussi ces grands projets du président de la République, notamment L'inauguration euh, le dimanche 2 avril euh, de la centrale thermique diesel de 100 MW euh, de Gorubanda. L'inauguration le lendemain du boulevard Tanimoun. La visite mercredi sur le chantier de l'échangeur Yori Hamani et la cérémonie hier à Goudel de la pose de la première pierre du pont général Sénikounché. La crise de l'école nigérienne occupe toujours l'actualité avec les grèves à répétition tant du côté des enseignants que des enseignants. Euh, si, le temps nous le permet, nous aborderons cette initiative des jeunes leaders dénommée DIFA cœur, une collecte de fonds et de biens en nature pour soulager les victimes du conflit dans la région de DIFA alors que les médias sont focalisés plus sur les répentis de Boko Haram. Avec nous ce soir pour développer ce thème, Garé Amadou du bi-hebdomadaire L'événement. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Sekouber Ibrahim, journaliste à la Voix du Sahel. Sekouber Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Et notre troisième invité est Abba Chari Arimi de la radio alternative FM. Abba Arimi Chari, bonsoir. Bonsoir. Le premier point du forum de la presse de ce vendredi 7 avril 2017 porte sur le cas Baba Alpha et Michael Zodi, placé en détention en préventive à la maison d'arrêt de Niamey. Le premier journaliste au groupe de presse Bonferré et le second est acteur de la société civile et ancien rapporteur de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Avant de vous donner la parole, chers invités, suivons d'abord un extrait de la déclaration hier du collectif de la société civile liée par Moussa Tiangari pour dénoncer ces arrestations et soutenir ces deux prévenus. Nous condamnons fermement les harcèlements, les arrestations, les interpellations contre les acteurs de la société civile, les journalistes et d'autres citoyens, du fait simplement de leur prise de position, de leur engagement. C'est contraire à un certain nombre de principes et de valeurs de la démocratie. Tout cela est fait pour intimider. Et Inch'Allah, les acteurs de la société civile ne se décourageront pas à cause de ça. Et nous lançons un appel pour que les citoyens, partout où ils sont, se mobilisent, s'organisent pour se battre, pour empêcher que l'arbitraire des devient la règle dans ce pays, alors qu'il y a des choses très claires sur lesquelles nous demandons des actions, on ne fait pratiquement rien. C'est la responsabilité des citoyens de se mobiliser pour se battre et empêcher cette régression. Et nous exigeons la libération de nos camarades. Et nous demandons l'arrêt de tous ces harcèlements qui visent à empêcher à des organisations légalement constituées, à des citoyens de s'exprimer librement, de mener le combat qu'ils ont estimé qu'ils doivent faire, un combat qui s'inscrit donc dans le cadre de l'état de droit. Retour à présent dans ce studio du studio Kalangu avec euh, d'abord Gary Amadou. Gary Amadou euh, du bi-hebdomadaire L'événement. Avez-vous le même sentiment Pensez-vous que ces personnes payent <laughs> le prix de leur opinion, de leur critique Oui, d'abord, je, dois dire que je suis ici sur ce plateau, pas seulement pour le compte de l'événement, je suis euh, ici ici intitulé personnel. Je suis là en mon propre compte. Les propos que je, vais dire ici n'engagent que ma propre personne, ça n'engage pas le journal de l'événement. Bien entendu. Cela dit, euh, oui, il est connu que, effectivement, les deux acteurs de la société dont vous parlez sont des opposants au régime. Ce sont des opposants politiques. Mais là n'est pas le problème. Moi, je connais particulièrement les deux. Je connais surtout Baba Alpha. Fondamentalement, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses avec lui. Mais c'est quelqu'un qui est très respectueux. Il m'appelle grand frère, n'est-ce pas Malgré tout, malgré tout le désaccord qu'on peut avoir sur le plan, euh, sur des questions politiques, c'est quelqu'un qui est très respectueux à mon égard. Donc ça m'a fait de la peine. Je l'ai même appelé quand il était euh, à la PJ. On a pu échanger. J'espère qu'il va se sortir de cette affaire, n'est-ce pas euh, J'ai vu la déclaration des acteurs de la société civile. Moi, je pense que le plus important, c'est qu'il ne faut rien se reprocher. Parce que quand même, quand on, quand on est un peu enclin à dénoncer certaines choses, on doit être clean. On doit tout faire pour être irréprochable. C'est extrêmement important. Je ne parle pas pour les cas de Baba Alpha. Je parle en général n'est-ce pas de, Des acteurs de la société civile qui, qui veulent être des symboles, qui, qui veulent être des dénonciateurs. vous, voulez dire que l'acteur de la société civile n'est pas clean non, il y a, mais il y a des acteurs de qui ne sont pas clean, mais, on, mais on se connaît dans ce pays-là. Mais écoutez, si on devait vous dire ce qu'on ce reprocherait à certains acteurs, les informations qui courent sur certains, sur certains acteurs de la société civile, mais on passerait toute la nuit. Ce sont pas, mais ce sont des êtres humains. Faut pas que les gens se trompent. Ils font des erreurs, ils commettent des choses comme tout le monde. N'est-ce pas Et j'ai dit, moi, ce que je pense, c'est qu'un acteur de la société civile qui est connu pour dénoncer certains travers de la société, en principe, on ne doit pas le trouver dans ce genre de, situation. C'est ça, qui est, c'est ça qui est la leçon. Vous voulez dire qu'on doit balayer devant chez soi avant de... Ah non, mais, mais c'est élémentaire, mais, mais, Mokhtar. Mais c'est élémentaire. Est-ce qu'on a besoin de dire que, bon, eh, eh, eh, si tu veux reprocher à ton voisin quelque chose, il faut que toi-même, tu ne sois pas dans une posture où toi-même tu fais les mêmes choses. C'est clair. Donc, c'est une, invitation aux acteurs de la société civile à faire tout pour être le irréprochable, le maximum possible. C'est-à-dire ne pas eh, prêter le flanc. On dit que oui, c'est des opposants. Oui, c'est des opposants au régime. Et puis, moi, si je suis un opposant à un régime, et que le régime est en place, et que je suis en train de l'attaquer, je m'attends à tout. Vous comprenez Je ne dis pas que c'est normal, mais je m'attends. je, ne suis pas naïf je sais qu'on va me créer des problèmes. Alors qu'est-ce que je fais Je fais tout pour ne pas donner l'occasion pour ne pas porter le flanc. Mais c'est clair. Euh, Sekouber Ibrahim euh, de la Voix du Sahel, euh, vous êtes journaliste sportif et ayant beaucoup côtoyé Baba Alpha sur le terrain. Comment avez-vous vécu son arrestation et comment comprendre ces griefs qui lui sont reprochés Vous savez, c'est une situation malheureuse. Je pense que c'est arrivé. Mais en réalité, ça, c'est le contexte ne s'y prête pas, en tout cas le moment. On peut l'arrêter peut-être avant, mais pas. C'est-à-dire que c'est sur des bases. Je pense que c'est c'est moins nageux, ce genre de comportement, dire qu'il n'est pas nigérien ou qu'il est ceci. Je pense que ce n'est pas le moment. On doit euh, le laisser faire son travail. Également pour euh, Zodi également, bon, c'est des prétextes qui ne tiennent pas la route et je pense que moi je ne veux pas trop m'attarder sur ce genre de questions, mais je pense que euh, je souhaite que ça se dénoue très rapidement et qu'on les laisse faire normalement leur travail. Vous pensez aussi qu'ils ont été arrêtés à cause de ah leur opinion C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça, mais je pense que est-ce que cela va empêcher aux gens de parler Je pense que ce n'est pas la meilleure formule. Ceux qui sont en train d'inventer ce genre de, de ils sont en train de passer à côté parce que ça ne va pas empêcher aux gens de parler. Abachari Arimi euh, de la radio alternative. Êtes-vous également journal, vous êtes également journaliste sportif, fin connaisseur du football nigérien, observateur de la scène publique. Quelle lecture faites-vous de l'arrestation de ces deux représentants des médias et de la société civile? Euh, merci. Euh, deux personnes que je connais euh, bien. Euh, Michael Zodi, que je côtoie dans le milieu de la société civile. Euh, vous l'avez dit, je viens de Alternative euh, et c'est une plaque euh, tournante des activités de la société civile. Et Baba Alpha, qui est un jeune confrère, mais surtout petit frère, Garé a bien mis l'accent sur son respect vraiment des aînés. je suis justement passé à la PJ pour le voir, mais je n'ai pas eu le droit on me, l'a empêché. Ceci étant, euh, nous ne sommes pas juges ici, nous ne sommes que des journalistes, donc nous essayons de recouper euh, les faits. Euh, d'abord, une chose est claire, c'est que l'acteur de la société civile n'est ni plus ni moins un citoyen, un citoyen ordinaire qui a ses travers et, et tout. Et ça ne doit pas lui empêcher, malgré tout, de dénoncer sur la base de sa conviction euh, des vraiment déviations que le pouvoir public peut prendre. Ceci étant, euh, l'arrestation de ces deux personnes, euh, quand, on regarde, de près, c'est bien sûr que c'est déconcertant. Pourquoi ces deux acteurs très actifs de la société civile pourquoi ces deux opposants, je pèse mes mots, les autres l'ont précisé aussi, au régime, et qui sont pris en ce moment précis. Euh, donc, euh, on est obligé de faire euh, un rapprochement avec leur position, leur prise de position politique. Et bon, malheureusement, le pouvoir a les forces qu'il faut, les renseignements qu'il faut pour aller chercher euh, un peu la, puce ou vraiment euh, essayer de déranger euh, ces personnes-là. C'est comme ça qu'on peut analyser malheureusement ces deux arrestations. Baba, il est arrêté pour faux et usage de faux. Ça me fait extrêmement mal, mais c'est le juge qui va euh, trancher l'affaire. Baba, Baba a été arrêté avec son papa. Avec son papa, de 70, ans, 70, ans. Et un autre que je connais très bien aussi, euh, qui paye malheureusement pour sa gentillesse, parce que c'est quelqu'un de très très gentil euh, que nous, dans le milieu du, du, sport, on connaît beaucoup, parce que on, on, au moins à la fin du foot, au Omar Mohamed. Omar Sidi Mohamed. Et Michael Zodi, euh, pour une histoire de non-prise euh, de fonction, euh, moi, à mon sens, pour ce qui est de Michael Zodi, sachant que la Alcia a fait un travail et qu'il a débusqué pas moins de 2000, si j'ai bonne mémoire, euh, personnes qui sont dans cette situation-là, un ministre n'a pas à s'occuper de son cas particulier, d'un individu. Si chaque ministre dans ce pays devait se mettre à écrire chaque à chaque individu qui a euh, fait, qui a fauté, mais le ministre n'aura de choses à faire que de signer de ces lettres-là. Donc, normalement, son cas devait être versé dans les cas qui ont été soulevés euh, par la Alcia et laisser l'administration faire son travail. En cas de remboursement, il rembourse. En cas de, au cas où il est renvoyé, il est renvoyé. Mais ça nous donne beaucoup à interpréter la manière dont il a été euh, arrêté. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, pour l'instant, voilà ce que je peux dire vraiment sur ces deux cas. Autre sujet abordé par la presse au cours de cette semaine, l'inauguration de la centrale thermique diesel de 100 MW de Gorubanda par le président de la République le dimanche 2 avril dernier. Je vous invite à suivre une déclaration du président de la République Issoufou Mahamadou le jour de l'inauguration de la centrale. Nous avons là derrière nous 80 MW, ce qui permettra certainement de réduire les coupures intempestives que connaissent euh, les populations de Niamey et ses environs. C'est un pas important vers euh, la couverture des besoins en énergie au-delà de Niamey, de l'ensemble du Niger. Vous savez qu'on a d'autres ambitions. Nous avons dans le pipeline le projet de Kandaji et mon espoir, c'est que ce projet également puisse euh, être inauguré avant la fin mon second mandat. C'est ça l'objectif que je me suis fixé, que le barrage de Kandaji soit mis en eau avant le 2 avril 2021. Nous avons également d'autres ambitions, on ne va pas s'arrêter là. Nous avons le projet de Salkadamna, toujours sur le plan énergétique. Et nous avons suivi également d'autres projets, en particulier dans le cadre euh, de la lutte contre les effets du changement climatique. Nous avons proposé euh, deux autres projets de barrage euh, hydroélectrique à réaliser tous des appuyants du club euh, Niger. Sekoubir Ibrahim, vous venez là de suivre le président de la République, Issoufou Mahmadou. Comment analysez-vous cette réalisation dans le programme euh, du président Issoufou Oui, personne n'est contre les réalisations. C'est sûr que c'est ce qu'on demande au chef d'État. vraiment, il est sur le terrain, il essaie en tout cas de, poser ses projets parce que c'est sur la base de ce programme qu'il a été élu. Donc je pense que euh, c'est bien dans la forme, au fond, c'est c'est véritablement euh, une bonne chose pour les populations parce qu'il faut quand même améliorer leurs conditions de vie. Mais quand on prend, c'est vrai que euh, par rapport à Gorubanda, il y a beaucoup de choses à dire parce que euh, aujourd'hui, exemple, la difficulté, ben, malgré ça a été inauguré le 2, mais est-ce que les coupures sont terminées Non. Et donc, c'est vrai que, et puis le, projet en tant que tel, c'est bien, mais de façon rationnelle, est-ce qu'on peut justement permettre aux Nigériens d'avoir de l'électricité Je pense que non. le projet Gurubanda c'est vraiment pour moi euh, un gâchis, parce qu'on euh, n'a pas les moyens de. C'est en fuel. Est-ce qu'on a véritablement les moyens d'utiliser euh, judicieusement ce, cet outil Non, je pense que c'est là où, quand même, je pense que le président doit revoir un peu. Il doit revoir les gens qui sont autour qui conseillent mal, parce que ça, là, euh, véritablement, les Nigériens ne se retrouvent pas. On nous a fait croire, on nous a miroité que ça, va finir, mais quand vous écoutez en sourdine, vous comprendrez effectivement que euh, Gorubanda, c'est un palliatif au cas où il y aura par exemple un blackout au Nigeria où on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui s'est passé. On peut, mais ça peut travailler pendant combien de temps c'est justement la rentabilité qui est mise en cause. Est-ce que ça va permettre, est-ce que ce n'est pas un investissement inutile que les en tout cas, que, qui a été fait dans ce sens C'est Ibrahim de la Voix du Sahel, donc vous pensez que Banda n'est pas la solution au la problème ce n'est pas la solution puisqu'il y a les coupures qui continuent. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez une autre. Euh, moi, je vois que je, je constate que depuis le 2, les coupures n'ont pas euh, sont toujours là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Je ne sais pas. Gorubanda, pourtant, on nous a fait miroiter que c'est fini. Mais en réalité, Gorubanda, moi je pense que c'est véritablement un gâchis. Abba Chari, animé de la radio alternative, beaucoup de voix s'élèvent pour dire que la centrale de Gorubanda est un gâchis. Pensez-vous que Gorubanda est une solution à la crise énergétique que traverse euh, le Évidemment pas, évidemment pas. Et puis euh, moi j'ai remis en cause la communication euh, faite autour de, de cet investissement. comme Sekou l'a dit, c'est censé être une centrale de, de, dépannage, mais on nous vend comme une nouvelle centrale tout comme le Nigeria peut nous fournir euh, l'électricité en permanence. Or, les spécialistes l'ont dit, d'ailleurs je l'ai écouté sur votre radio il n'y a pas très longtemps, le coût de production euh, au sein, euh, par, par, par cette centrale-là sont si élevés que si on veut que cette centrale fonctionne à temps plein, on doit pouvoir doubler les frais d'électricité tels que nous payons aujourd'hui. Or, on sait qu'on a beaucoup de problèmes pour n'investir que euh, dans euh, l'électricité. Donc, euh, on doit dire dans la communication, vraiment j'ai remis en cause la communication gouvernementale, qui veut nous dire que voilà, il y a la centrale de Goudel, il y a l'électricité qui nous vient du Nigeria, puis il y a Gorbanda. Gorbanda ne doit pas être cité avec ces deux centrales que je viens de citer, c'est-à-dire le Nigeria et Goudel. Euh, c'est tellement différent leur rôle. C'est vraiment un palliatif qui est là, qu'on nous le dise correctement. Est-ce que au Niger aujourd'hui, on a besoin d'un palliatif de 80 millions, n'est-ce pas 80 de 80, milliards, si difficile à supporter, vraiment, on aurait pu au pays de penser penser quelque chose comme l'énergie solaire. Donc, comme, M. Kouberi Ibrahim, vous, vous aussi, vous pensez que c'est un gâchis euh, Sincèrement, je pense que c'est un éléphant blanc. Euh, au-delà, maintenant, toutes ces réalisations du président de la République, toutes ces communications autour de des réalisations du président de la, de la République, sincèrement, euh, c'est bien si une bonne partie de notre pays est prise en compte. Aujourd'hui, Personne ne veut aller à Agadez par la route. On investit énormément dans le ciment et le goudron. Personne ne peut, ne veut aller, même à Gaïa. Il y a une route qui a commencé depuis euh, le président Tanja. elle n'est pas encore finie. La route Zender Agadez, c'est un calvaire pour nous qui faisons le terrain. Donc, c'est des choses auxquelles aussi il faut sincèrement penser. Parce que eh, nous sommes des Nigériens, nous connaissons qu'est-ce qui est à l'origine de toutes les rébellions qui ont secoué ce pays-là. Nous sommes voisins du Mali. Pour, l'instant, intéressons-nous à la centrale de Gouroubanda. Euh, comment Intéressons-nous à présent à la centrale de Gouroubanda. Euh, oui, j'ai dit que c'est un éléphant blanc. Agaré Amadou, euh, euh, quelles sont selon vous les forces et les faiblesses de la centrale euh, thermique du gel de Gourbanda et pourquoi les régimes qui se sont succédés n'ont pas construit une centrale à énergie renouvelable plutôt qu'un projet qui utilise des énergies fossiles Dans ce sens, existe, existait depuis des décennies Oui, vous savez, au-delà de la cérémonie d'inauguration de, cette centrale thermique, euh, moi, je pense que, euh, comme ils l'ont dit, en fait, il faut qu'on dise effectivement aux gens que non, la centrale de Gourbanda, ce n'est pas une centrale qui est actuellement en train de produire 80 MW, n'est-ce pas, pour, venir à, s'ajouter à ce qu'on a comme quantité d'énergie. Non. C'est-à-dire que la centrale de Gourbanda est là lorsque au Nigeria, il y a une grosse panne puisque c'est le Nigeria qui nous a produit, qu'il y a une grosse panne, en ce moment qu'on va la mettre en marche pour voir ce que ça va donner. Maintenant, pour le moment, n'est-ce pas, les gens voient bien sûr des coupures parce que ce n'est pas une centrale qui est à 100% opérationnelle. Comprenez Donc, mais on va, euh, on va attendre de voir. Mais pourtant, ça a été inauguré. Ça a été inauguré. Mais on va attendre de voir, n'est-ce pas C'est que dans la communication, comme il l'a dit, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Parce que dans la première communication, il disait, oui, on va continuer la centrale de Gourbanda, avec ça, les problèmes d'énergie seront résolus. Et là, ça sous-entend que non, la centrale de ne va fonctionner en même temps que ce qu'on a au Nigeria, ce qu'on a au niveau de Goudel, etc., Et ça va faire en sorte qu'on a un paquet qui va nous permettre d'avoir euh, suffisamment de l'énergie électrique pour tout le pays. Mais ce n'est pas cela. C'est une centrale qui vient en appoint quand quand il y a une panne, en principe. Maintenant, moi, je l'ai toujours dit. Voilà un pays qui est considéré comme le pays le plus chaud du monde. Un des plus chauds du monde, en tout cas. Qui a une ressource inestimable comme le soleil et qui part construire une centrale thermique. Alors que tout simplement ce qu'il fallait faire, c'était une centrale solaire. Moi, j'ai discuté avec Albert Wright, je l'ai interrogé il y a quelques années, justement par rapport à cela. Il disait, eh, en réalité, les gens se trompent. Ou ils font ça sciemment, parce que c'est des affaires de gros sous, qu'il y a des sous dedans, vous comprenez Parce qu'il y a des affaires de marché, à qui on donne, etc. etc. Donc les gens oublient de voir l'efficacité, parce qu'effectivement, ça va coûter très cher, Gourbanda. Ça va coûter les gens parlent de je ne sais pas combien de, de, de, de, citernes de gasoil par jour. Mais alors que tout simplement, le soleil, oh il, il, suffit tout simplement d'avoir des capteurs pour capter les rayons solaires et les transformer en énergie. C'est tout. Albert Reich l'a expliqué. Mais les gens ne l'ont pas écouté. Parce que certainement que les gens, était dans d'autres dans d'autres calculs, n'est-ce pas Avoir ce qu'ils peuvent avoir. Donc selon vous, euh, la centrale thermique de Gourbanda a plus d'inconvénients que d'avantages Mais moi je, je, dis et je le répète, comme l'a dit Arimi, moi j'aurais mille fois préféré une centrale solaire qu'une centrale thermique. C'est clair et net. Et les spécialistes, quand vous les interrogez, ils vont vous le dire. Mais les gens se sont entêtés à vouloir faire une centrale thermique. Maintenant, parce que je sais qu'on arrivera à un moment où on va comprendre que la centrale thermique de Gourbanda n'a pas réglé tout le problème du Niger. Les gens arriveront à ce moment-là. Parce que je vous dis, le jour où on va avoir une grosse panne au Niger, les gens vont comprendre que non, peut-être qu'il y a un investissement inutile qui a été fait. Et en ce moment, les gens vont se rendre compte que le gâchis qu'on a en, termes d'énergie, en termes de personnel humain qui, ont travaillé jour et nuit, en termes de, dépenses de, sous dépenses les gens vont se rendre compte. Mais j'ai dit, c'est dès maintenant. Vous voyez Albert en train de, tout le temps sur les plateaux de télévision en train d'expliquer. Les gens ne l'écoutent pas. Alors que c'est très simple. Mais Albert, c'est pas n'importe qui en matière de nourriture. C'est quand même, c'était l'adjoint de, de Abdelmouni Diofo, pratiquement. Mais, appelez-le, mettez en place un comité de réflexion. On a Banda, c'est bon, voilà. D'accord Mais alors, est-ce que ça fait en sorte qu'on ne peut pas réfléchir à la construction d'une centrale solaire. Euh, si vous avez bien écouté le président de la République, il dit qu'il y a, des, y a des, nouvelles, des nouveaux projets qui sont en cours. Non, mais oui, des nouveaux projets qui sont en cours. C'est-à-dire qu'on devait faire ça d'abord c'était ça. C'est-à-dire qu'on ne devait pas construire une centrale qu'on ne pouvait pas entretenir. Oui, C'était important. Que... Euh, allez-y, vous avez quelque chose à ajouter. J'écoutais la ministre de l'Énergie qui disait que, euh, à l'occasion de la Journée nationale de l'énergie, elle disait qu'il y aura des centrales euh, solaires au niveau des régions. Ça, je l'ai écouté. Souhaitons que ça soit mhm. quand même une bonne chose et que ça va se réaliser que ça ne soit pas de la politique. Admi, vous avez quelque chose à ajouter oui, rapidement Sincèrement, nous, nous sommes de ceux euh, qui ont un peu vécu euh, le rêve de, de, Kandaji. N'est-ce pas 80 milliards n'est-ce pas, investi, je dirais ainsi, dans, le, dans, dans, la précipitation, 80 milliards, ça aurait pu quand même booster la mise en place et peut-être la, réalisation de, de Kandaji, qui, selon ce qu'on nous a dit, peut prendre intégralement les besoins énergétiques du Niger et même donner à l'extérieur. Autre projet inauguré juste le lendemain sur le boulevard Tanimoun, les 70 km de la voirie urbaine. Ensuite, la visite effectuée par le président de la République mercredi sur le chantier de l'échangeur Hamani, puis la cérémonie hier de la pose de la première pierre du pont général Seydou Kounché à Goudel. Gary Amadou, euh, euh, ces réalisations indiquent-elles que la Renaissance Acte 2 est sur la bonne voie oui, mais d'abord, avant d'aborder cette, question, il faut dire concernant le barrage de Kandaji qu'il y, a une autre, inquiétude. On veut construire un barrage alors que les spécialistes disent que le fleuve Niger est en train de mourir. On veut faire un barrage pour arrêter quoi Ça, c'est une nouvelle information. Non, en tout cas, les spécialistes, c'est qu'ils disent le fleuve Niger est en train de mourir. Donc, réfléchissons encore à ce qu'on fait. Donc, mais il est indéniable qu'en matière de construction de routes, ce régime-là a fait beaucoup. Parce que la route dont vous parlez, la route. Euh, euh, euh les 110 km ah de la urbaine. Mais c'est une route formidable quand vous l'empruntez. Vous êtes content. Nous l'avons tous emprunté. Quand nous, l'empruntons, nous sommes extrêmement contents. N'est-ce pas Donc, cette route a permis quand même d'alléger la circulation au sein de la ville de Niamey. N'est-ce pas De la même façon que les deux échangeurs ont permis aussi, ont contribué à, rendre plus fluide la circulation de la ville de Niamey. De cette même façon, je pense, à mon avis, que le, le, pont qui va être construit au niveau de Goudel et le troisième échangeur de Katako vont non seulement embellir la ville, mais ils vont permettre à la ville de ne pas être, euh, de ne pas en, tout cas euh, soumis à ces embouteillages-là qu'on a l'habitude de voir. Vous avez vu que les embouteillages ont mené à dominer. Donc, je pense que c'est des grandes réalisations, n'est-ce pas, qui, en tout cas, correspondent, sur ce point-là, sur le point de la construction de ces infrastructures routières, je pense que le gouvernement est sur la bonne voie. Mais, comme l'a dit Arimi, moi j'ai emprunté la route tawa Mais c'est épouvantable. Mais vous ne savez pas ce qui est pire. La route euh, dénommée euh, la route de l'Iran Mais, vous ne savez pas ce qui est pire. Parce que moi, j'ai emprunté la route Tawa-Agadez. Mais Agadez-Arlit. Mais je vous dis, c'est le chemin de croix. C'est terrible. On ne peut pas comprendre que la route qui va vers la ville où on produit l'uranium du Niger est une route complètement dégueulasse. Complètement impraticable, je vous dis, je l'ai emprunté. Mais c'est une honte. Alors, moi, je viens bien comprendre qu'on fasse des routes au sein de la ville de Niamey. Mais moi, je pense que la priorité, d'abord, la route, les routes là qui sont, extrêmement empruntées, Tawa, Agadez et Agadez Arlit, je pense que le gouvernement devrait beaucoup y penser avant que le président ne puisse punir son mandat, qu'il puisse faire ces routes-là. Ça va vraiment soulager beaucoup les populations. Abba Chari, Arimi de la radio alternative, à quels besoins ces infrastructures répondent-elles Sont-elles en adéquation avec euh, les demandes des citoyens et les priorités du pays euh, Du pays, sincèrement, non. Du pays, sincèrement, non. Parce que euh, moi, j'ai fait hein, euh, Zender, euh, Agadez, Agadez, Arlit, Arlit, Niamey, euh, entre le 1er et le 7 janvier. Et sincèrement, je crois que le gouvernement doit devoir regarder de ce côté-là. Mieux, même à Niamey, n'est-ce pas euh, les échangeurs simples tels que c'est fait euh, sur Malibéro ou au niveau du pont Kennedy, aurait pu suffire à quelque chose, un truc simple aussi de ce genre au rond-point Laco nous aurait réglé l'affaire. Mais Niamey a un véritable problème euh, d'évacuation d'eau. Niamey a grandi, on dit que Niamey a dépassé son niveau de 2025 euh, déjà, n'est-ce pas Et tous ces nouveaux quartiers qui sont construits n'ont ni route ni caniveau n'est-ce pas C'est des, des, investissements peut-être de petite taille, mais d'une valeur inestimable pour la population. Donc moi, j'ai comme l'impression euh, malheureusement, euh, le pouvoir actuel, c'est ceux qui ont aussi euh, condamné ce que faisait le président Kounché, et qui ont qualifié d'investissement de, prestige ce qui a été fait pendant la période du, général Seni Kounché. Aujourd'hui, j'ai dit que par rapport aux besoins, sincèrement, ce n'est pas du gâchis, peut-être ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre, mais c'est vraiment des investissements de prestige par rapport aux besoins de Niger. Vous voulez, dire que ce n'est pas la priorité des... Ce n'est pas la priorité Écoutez, euh, aujourd'hui, vous pouvez aller euh, dans des quartiers même un peu plus, plus vieux aujourd'hui, euh, là où nous, nous sommes, ou vous, allez à Bobiel, ou encore à Niamey 2000, mais Bassora, c'est inaccessible pendant la saison de pluie. On doit penser, n'est-ce pas, parce que euh, les gens leur ont vendu les terrains, n'est-ce pas, sans penser même aux routes comment accéder chez toi devient un problème dans ces quartiers-là. Donc l'eau, rien que devant euh, l'ancien siège du PNDS, quand il pleut, pour passer, c'est un problème n'est-ce pas, au rond-point Wadata, euh, qui est mon quartier, pour passer après une pluie, c'est un problème. Donc on doit penser vraiment à comment évacuer euh, les eaux de ces quartiers-là, mais aussi les routes dans les quartiers c'est ce qui manque. Aujourd'hui, les taximans ne me diraient pas le contraire. N'est-ce pas Dans leurs revendications, c'est quoi C'est toujours d'améliorer l'état des routes. Parce que qui a un véhicule sait qu'à Niamey, il n'y a pas de route. Parce que les amortisseurs sont ceux qui échangent le plus. Sekouberi Ibrahim de la Voix du Sahel, quels sont selon vous les chantiers sur lesquels les Nigériens entendent beaucoup plus le président Issoufou oui, les chantiers, ils les ont en tout cas effleurés. moi, je pense que d'abord, il faut améliorer le quotidien. C'est clair et net, c'est ça qui fait que vous êtes en tout cas, si on vous fait confiance, vous devez en retour euh, au moins offrir ces, services. Vous faites allusion au secteur social de base Oui, absolument. La santé, l'éducation et aussi euh, l'eau l'hydraulique. Je pense que c'est d'abord c'est des priorités, c'est des services sociaux de base que tout Nigérien doit avoir. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, notre niveau de vie ne nous permet pas d'aller construire des échangeurs. Moi, je pense que je suis de ceux qui pensent qu'on peut faire, on peut réhabiliter les routes, on peut euh, vraiment euh, nous trouver de l'électricité, le solaire, et au lieu de nous faire des échangeurs où véritablement, on n'en a pas véritablement besoin pour le moment. Peut-être que le président a une vision euh, futuriste. 2025-2030 pour le Niger, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte de la réalité du pays. Est-ce que le pays peut supporter ces charges C'est ça la vraie euh, euh, question qu'il faut se poser. Moi, à mon avis, je pense que euh, c'est vrai, le chantier, le président, c'est un engagement. Peut-être que lui, il a une autre vision de la chose, mais nous, en tant que citoyens ordinaires, nous qui observons, nous qui voyons les choses, nous pensons que c'est des dépenses de prestige. On aurait pu réhabiliter les centres de formation, de santé. On aurait pu nous fournir de l'électricité, de l'eau en abondance et peut-être améliorer le, vécu des Nigériens par l'augmentation des salaires et autres. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin eh, de faire beaucoup de dépenses de prestige pour se faire, euh, en tout cas pour, pour rester au pouvoir ou pour vouloir en tout cas eh, marquer son passage à la tête de l'État. Nous vers une autre année blanche au Niger avec les grèves à répétition dans le secteur éducatif En effet, sur les neuf mois qui comptent, que dure l'année scolaire à la date d'aujourd'hui, les élèves n'ont guère totalisé trois beaux mois de cours tantôt à cause du débrayage des enseignants, tantôt à cause des revendications des élèves eux-mêmes. À cela est venu se greffer cette euh, évaluation des enseignants engagés par le gouvernement. Sans oublier que nous sommes à moins d'un trimestre de la fin de cette année scolaire Brinke-Brant. Sekouberi Ibrahim de la Voix du Sahel, êtes-vous optimiste ou pessimiste avec euh, tous ces ingrédients <laughs> que, vous inspire l'avenir avec euh, l'avenir de l'école nigérienne En tout cas, l'année, tout cas, on s'achemine vers la fin de l'année, vous l'avez dit, et nous sommes des parents d'élèves. on voit chaque jour nos enfants en tout cas, revenir à la maison parce qu'il y a eu un coup de sifflet qui interdit ou qui empêche aux jeunes d'étudier. Parce qu'il y a une grève par Cette semaine, en tout cas, il n'y a pas eu cours. Il y a eu trois jours pour euh, les, les, élèves et trois jours pour les enseignants. Mais à cette allure, je pense qu'on est en train d'aller tout droit dans le mur. Et je pense que c'est véritablement, euh, il n'y a pas à se réjouir de cette situation. Je pense que les gens doivent euh, trouver rapidement euh, les, les, moyens de sauver cette année. Ce n'est pas encore perdu, on peut aller jusqu'à au moins rattraper. Mais je pense que et là également, c'est là le problème. Les gens sont en train de vouloir. Euh, je, suivais sur une télé que je ne veux pas nommer, où des gens sont venus dire qu'ils sont à 75% du programme. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça vous servait l'école je pense que non, on est des parents d'élèves, on sait ce qui se passe. Il y a des choses qu'il ne faut même pas vouloir euh, dire dans la vie. On ne peut pas dire qu'on est à 115, est est à 115% Je pense qu'on peut trouver les moyens de sauver l'année. On peut aller jusqu'en octobre prochain. Pourquoi pas Mais moi, l'essentiel pour moi, c'est que cette année soit sauvée. Mais véritablement, euh, je ne suis pas trop, trop euh, optimiste quant à, à ce que cette année soit sauvée. Abba de la radio alternative FM, euh, Sekouberi Ibrahim n'est pas optimiste. Euh, l'année scolaire 2016-2017 euh, peut-elle être encore sauvée si l'on tient compte des coûts de rattrapage engagés dans, certaines écoles Écoutez, pour sauver cette année, il faut un véritable programme et il faut une entente entre les différents protagonistes qui sont les enseignants, le gouvernement et euh, les élèves. Euh, malheureusement, je n'ai pas l'impression que euh, cela risque d'arriver. Euh, j'ai même l'impression pourquoi que, pourquoi selon j'ai l'impression tout simplement que le gouvernement est même dans la provocation sincèrement cette histoire de d'évaluation n'est-ce pas C'est juste pour ridiculiser les, enseignants que l'État lui-même est allé chercher, n'est-ce pas Personne ne s'est recruté de lui-même. Hein? à un moment donné de la, vie, on a dit, vous avez un brevet, vous avez euh, une formation, venez enseigner. Les gens n'ayant plus rien à faire, n'est-ce pas, sont venus se faire recruter en vrac. À quoi on s'attendait on s'attendait à des enseignants euh, euh, directement sortis de William Ponty. Non. Donc vraiment, c'est ce qu'on a voulu. Maintenant, l'école a son propre mécanisme d'évaluation. En tout cas, nous, quand on était au primaire, euh, quand le conseiller s'annonce, quand l'inspecteur s'annonce, les enseignants font tout pour être prêts avant son arrivée. Ça, c'est une évaluation, vraiment un système d'évaluation euh, qui existe partout et qui est pour l'école. Mais on va dire aux enseignants, venez faire une dictée. Un professeur de maths, même du temps où l'école était ce qu'elle était, si tu lui fais euh, euh, une, dictée, il va échouer. Abachari, est-ce que l'année peut être sauvée À mon avis, à, cette allure, certainement que le gouvernement va vouloir puisqu'il a la force, vouloir faire les examens, valider l'année, mais c'est encore un pas en arrière dans le sauvetage vraiment du système éducatif nigérien. Garé Amadou, euh, selon vous, peut-on évoquer l'échec des négociations entre syndicats et gouvernement c'est clair que c'est à la base de la situation dans laquelle on se trouve. Vous savez, moi j'avais fait un débat avec un leader euh, syndical d'une des multitudes corporation de, syndicats de contractuels. Parce que les syndicats, dans le domaine de l'enseignement, il y en a une soixantaine, hein, je vous le dis. Donc, j'en discuté, j'ai discuté avec un sur un plateau de télévision. Il me dit non, euh, au cours de, cette, de, telle année, sur 9 mois de cours, on a fait 80 jours de cours. Je lui ai dit, mais tu es fier de ça J'ai dit, mais je suis que toi tu parles de ça. Comme si c'est quelque chose, c'est une fierté que tu dois exhiber. J'ai dit, mais, mais moi j'ai honte. Mais j'ai honte que tu parles de ça. Parce que pour moi, j'ai dit, ce sont nos enfants qui partent à l'école. Nous, nous les voyons chaque matin partir, revenir. Donc, moi, je pense, au-delà de cette question d'évaluation, oui, cette question d'évaluation, on peut s'entendre sur, autre, une, autre, méthode, n'est-ce pas Mais il faut discuter. Mais il est clair que dans le système de recrutement des enseignants, quelque chose a échappé à l'État et on arrive à une catastrophe. Alors la question c'est est-ce qu'il faut faire quelque chose ou bien laisser la situation telle Est-ce qu'il faut laisser un enseignant euh, euh, euh, pratiquement illettré enseigner le français à des élèves ou faut-il changer des choses si les gens ne veulent pas qu'on change, ben qu'on ne change pas. Et eh bien qu'on laisse cet enseignant-là qui ne sait même pas parler français apprendre le français à des élèves. On va continuer comme ça de la médiocrité. Mais j'ai dit, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire Et c'est là que les syndicats et, et le ministère doivent s'entendre. Il est indéniable, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un problème. Maintenant, comment faut-il le régler Est-ce que le système d'évaluation que le ministère a proposé est bon S'il n'est pas bon, qu'ils s'entendent comment il faut faire pour changer. Ces enseignants-là qui sont nuls, il faut le dire, non, attendez, ces enseignants-là qui sont nuls, mais comment faire pour les recycler Tout ça, c'est des questions qu'il faut le faire. Soit on fait quelque chose, soit on ne fait pas. Point. Voilà. Autre sujet traité par la presse depuis plusieurs semaines et aujourd'hui encore, c'est la question des repentis de Boko Haram qui serait autour de 140 individus gardés dans la ville de Difa et cette nouvelle initiative d'un groupe de jeunes leaders dénommés Difa et Cœur euh, qui font des collectes pour soutenir les victimes du conflit dans cette région de Difa. Gare Amadou, très rapidement, euh, peut que peut-on retenir concrètement de cette initiative d'IFA Eker et comment euh, vous percevez cette question des repentis rapidement Moi, je pense que euh, euh, mieux vaut avoir des repentis que de chercher à condamner des gens. Moi, je pense que ce serait, ce serait très profitable pour le Niger que des gens puissent dire que on s'est trompé, on dépose les armes, on revient de la légalité au revenu de la République. Maintenant, moi, ce qui, me, ce qui, ce qui est le plus important, ces personnes-là répandues, comment faire pour euh, assurer leur insertion sociale Qu'est-ce qu'il faut leur faire Quel est le boulot qu'on va leur proposer N'est-ce pas Pour qu'ils puissent oublier la période noire de Boko Haram. N'est-ce pas Qu'on ne cherche pas à chercher la petite bête parce que c'est des gens qui ont tué des personnes, c'est sûr. N'est-ce pas Au sein même de leur communauté qui ont tué des gens. Mais qu'on laisse, qu'on oublie. Parce qu'à un certain moment, un pays, qu'est-ce qu'il fait Un pays, il décide que bon, il faut que je tourne la page. Et si je tourne la page, ce que je pardonne à ceux qui veulent bien revenir. Donc, la main tendue des autorités nigériennes, moi je dis que c'est une très bonne chose et j'espère que beaucoup de jeunes vont suivre. Euh, et cette initiative euh, d'IFA oui, c'est une très bonne, c'est une très bonne initiative, moi je pense. Et moi je pense que euh, euh, c'est vers cela qu'on doit tendre et nous devons encourager de telles initiatives parce que c'est elles qui vont permettre euh, pratiquement d'amener la, stabilité de la région. Sekou Ber Ibrahim de la Voix du Sahel, avez-vous constaté une certaine solidarité des Nigériens autour de cette idée eh, d'IFA Hiker Sont-ils sortis pour offrir suffisamment de dons que pour le moment, moi c'est vrai que je suis étonné quand vous me l'avez. Je ne sais même pas qu'il y a ces arts d'initiative. Je le sais c'est vrai, parce que bon, euh, je ne parcours pas véritablement les, journaux et autres, mais je pense que c'est une bonne chose. C'est ce qui se passe un peu partout. Et je l'avais dit ici lors euh, d'un de, mes passages, je vous disais qu'il ne faut pas toujours compter sur l'extérieur pour régler nos problèmes. Nous avons des, même si vous, mettez 10 francs, chacun, celui-là donne une chemise, celui-là, celle-là une robe, je pense qu'on peut toujours aider les gens. Et c'est ça, justement, c'est ça même la solidarité. Et c'est ce que nous connaissons en tant qu'Africains, en tant que cette hospitalité. Je pense que c'est des initiatives à encourager et les jeunes qui sont en tout cas en train de, faire euh, cette initiative, le seul bémol qui, qui, qui, me gêne dans cette histoire, est-ce qu'ils vont envoyer ces, ces, vêtements ou bien ils vont aller eux-mêmes de remettre C'est ça la difficulté. Et si c'est si c'est si s'ils doivent envoyer, moi je pense qu'il faut il faut qu'ils soient là et ceux qui vont justement aller vers les réfugiés et vers les populations pour donner justement ce qu'ils ont on, Ça, veut dire quoi On a moins, moins, moins de deux minutes, on a moins de minutes à <laughs> Écoutez, euh, je pense que c'est une belle initiative. Euh, Difa a besoin de ça. Au-delà euh, du poids que ce qu'ils vont amener euh, peut représenter, c'est vraiment ce signe de solidarité, ce clin d'œil euh, que la population de Difa a besoin parce qu'il euh, ne faut pas que cette population se sente seule, n'est-ce pas Il faut qu'on sache que... et ça touche sincèrement. en plus de ça, pour ce qui est des, des répentis, heureusement que le gouvernement s'est ressaisi. Parce qu'il y a des moments, sincèrement, où moi je me suis posé la question, quand on demandait aux gens de dénoncer, quand on demandait aux gens de décourager leurs enfants d'aller euh, à Boko Haram, mais en même temps qu'il n'y avait pas de porte de sortie, je ne voyais pas un parent dénoncer son papa pour, qu'il, pour Arimi, le temps qui nous est imparti tira euh, tire à sa fin. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Gare Amadou, euh, journaliste indépendant selon lui. nous étions également avec Sekou Ibrahim, journaliste à la Voix du Sahel. Et Abba Arimi Chari de la radio alternative FM. Merci à, vous tous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous lundi 10 avril 2017, même fréquence avec euh, Maria Diallo sur euh, une autre thématique. Merci et au revoir.